le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse aux productions maritimes cher sur l'année au Niger. Quels sont les obstacles et solutions possibles la sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en quantité et en qualité. Elle demeure une préoccupation pour l'ensemble des pays du Sahel due à plusieurs facteurs dont la très courte saison des pluies déficitaires par moment, la dégradation des terres cultivables et des forêts, mais aussi la mauvaise exploitation des eaux de surface. Ce triste tableau est dopé par la croissance rapide de la population qui a besoin en encore plus de nourriture déjà insuffisante. En saison sèche, très longue au Sahel, les cultures maraîchères sont une alternative pour nourrir la population et par ricochet développer l'économie et bien d'autres secteurs. Des raisons qui ont poussé dans les années 80 le gouvernement du Niger a encouragé les cultures de contre-saison, y compris pour les fonctionnaires dispensés à l'ordre de travail samedi. Mais hélas, le constat est là, aujourd'hui, très peu d'engagement dans cette euh, société de consommation. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à identifier les difficultés qui empêchent de produire, par exemple, des légumes euh, toute l'année malgré la présence permanente de l'eau, notamment sur les rives du fleuve Niger. Aussi, nous découvrirons ce qui est possible de faire avec les moyens de boire afin de produire au moins de la tomate sur toute l'année. Pour développer ce sujet, nous avons dans ce studio Oumarou Samba Boubacar, coordonnateur de la section régionale de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA de Niamey. Oumarou Samba Boubacar, euh, bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Dantata, président d'Afrique Fondation Jeune. Ousmane Dantata, euh, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons également invité le Haut Commissariat à l'initiative 3N, mais aucun invité dans ce studio. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Ousmane Dantata, quels sont les défis du Niger en matière de production de légumes et autres crudités à tout moment de l'année donc le défi du Niger sur ces, questions euh, relève en fait de la principale problématique un peu de la question de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi euh, de ce qu'on souvent on appelle aussi, on va dire, euh, l'autonomie d'un pays, la souveraineté alimentaire tout particulièrement. Donc l'idée c'est là où nous vivons, nous devions être capables de nous nourrir. Euh, c'est comme ça que, euh, initialement, nos parents, nos ancêtres vivaient. Quand on vient s'installer sur, un, sur une terre, c'est parce qu'on estime que, euh, soit de façon continue ou de façon temporaire, on peut se nourrir dans cet endroit où on s'installe. Et quand la nourriture ne suffit pas, à une période de l'année, on peut migrer. Donc, ce qui explique souvent la transhumance, notamment avec les animaux. Donc, aujourd'hui, ce, ce système-là, c'est complètement inversé. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que la colonisation, a introduit, j'allais dire, un biais. Euh, à l'époque, euh, pour les colons qui étaient habitués à se nourrir de certains légumes, voulaient s'approvisionner, eux, en continu dans nos pays. Donc c'est leur alimentation à peu près qu'ils sont venus nous imposer et que nous, nous avons eu à prendre et à ne pas, euh, disons, à laisser ce que nous, nous avons l'habitude de consommer pour aller vers ce que nous n'avons pas l'habitude de consommer. Donc, d'où cette idée que nous devions produire des aliments qui ne sont pas, euh, ne sont pas des animaux, on va dire, vraiment euh, autochtones, hein, endogènes à nous, mais nous amenons des choses qui, que nous essayons de faire adapter à notre terre. Donc aujourd'hui, euh, très souvent, quand on parle de légumes, il faut savoir pourquoi on mange des légumes c'est fondamental. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait de l'autosuffisance alimentaire, l'idée c'est de savoir qu'un organisme a besoin de nutriments et que ces nutriments sont apportés par que ce soit euh, des céréales, que ce soit de la viande ou du poisson, mais également des légumes, des feuilles légumes. Parce qu'il y a des, feuilles qui ont les mêmes vertus en fait que les légumes que nous nous, nous, évertions en fait à consommer. Aujourd'hui, il y a suffisamment encore hein, d'herbes et de feuilles d'arbres que nous pouvons consommer qui peuvent absolument remplacer. Vous faites allusion au, moringa Je, Pas seulement au moringa, puisque même le moringa est en fait une plante importée. Mais quand vous prenez euh, Cassia tora, par exemple, qu'on appelle talhan, ou euh, le cléum qu'on appelle foubei, c'est vraiment des légumes, feuilles, qui ont des vertus qui sont encore plus importantes que euh, les autres légumes que nous consommons. Donc, euh, et elles sont autochtones, ces légumes, sont autochtones, du moins, ils sont autochtones, et nous pouvons les produire parce qu'ils s'adaptent à notre terre, ils s'adaptent à notre culture. Quand on amène les autres, qu'est-ce qui se passe Aucune des semences n'est vraiment de façon euh, globale produite ici même euh, la laitue, par exemple, que les gens adaptent un peu la, les semences, euh, ça ne suffit pas à, produire. C'est-à-dire que quand on veut produire tout ce qu'on produit aujourd'hui dans la saison fraîche, la saison, euh, la contre-saison, eh bien, c'est souvent donc des semences que nous achetons ailleurs. De plus en plus, nous utilisons énormément d'engrais et de pesticides que nous achetons ailleurs. Donc, cela nous revient excessivement cher déjà pour produire euh, nous achetons tout de l'extérieur essentiellement. Et quand euh, nous le produisons, nous sommes souvent en train de faire euh, aussi des dégâts sur notre écosystème. Parce que tout ça, on sait, n'est pas anodin, n'est pas exempt de, danger. Donc voilà, aujourd'hui, le pays est en face avec sa population qui croit à pouvoir s'approvisionner en aliments et on ne se pose pas la question de savoir, mais en fait, de quoi nous avons besoin pour manger Ce que nous pouvons produire peut-il nous suffire Est-ce que il faut continuer de la même manière. Je crois que c'est ça, la, surtout vraiment les véritables questions qu'il faut se poser et non se, lancer tout azimut dans des productions qui parfois peuvent poser problème. Évidemment, nous avons des ressources en eau qui souvent après la saison des pluies sont utilisées pour faire de la production maraîchère. Mais cette production maraîchère, une fois que par exemple dans une zone vous aviez asséché euh, le marigot, le marigot s'est en tout cas asséché, bon, les, les paysans se remettent sur d'autres activités, ce qui est tout à fait normal. Donc il ne faut pas s'attendre à un miracle quand on n'a pas mis les moyens pour mettre à leur disposition de l'eau, par exemple. Omar Boubakara, le Niger dispose d'importantes quantités en eau, y compris aux alentours d'Agadez. Malgré toutes ces potentialités, les maraîchers et autres producteurs ne produisent suffisamment ou le font seulement à euh, certains moments, euh, mais pas toute l'année. Quelle explication Effectivement, vous avez raison. Euh, les critiques maraîchères, comme vous l'avez déjà mentionné dans votre première intervention, et de nos jours, une alternative. Donc, euh, pour les questions de sécurité alimentaire, parce qu'on ne parle plus d'autosuffisance, on parle de la sécurité alimentaire, qui est donc un ensemble de composantes. Et ça, il faut qu'il y ait une disponibilité toute l'année et aussi question de qualité. Parce que là, sécurité alimentaire doit être accompagnée par le mot nutritionnel. Effectivement, à travers tous les pays, les gens font du maraîchage. Comme l'a dit, euh, quand on prend l'historique, le maraîchage est parti avec le colon, avec nos grands-parents. En ces temps, c'est donc considéré comme des cultures de, vraiment des, sur des petits lopins de terre. Tout juste, ils le font pour vendre aux colons ou bien aux autres personnes qui sont impiégées. Aujourd'hui, c'est une activité qui a plus d'ampleur. De nos jours, le maraîchage doit être une activité sur laquelle l'accent doit être mis. Mais euh, les questions de disponibilité, il y a des défis ou bien des contraintes qui font en sorte que, à une certaine période de l'année, comme vous l'avez souligné, les cultures maraîchères, les produits maraîchers du Niger sont rares sur le marché. J'allais aborder le point par rapport donc à la question, il a dit, dans certaines zones, les questions d'eau, les problèmes de l'eau là. Il y a aussi les questions des semences de qualité. Vous savez, chaque saison a ses type de semences qu'il faut. À cela, il faut ajouter aussi, en certaines périodes de l'année aussi, il y a les questions de maladies et parasitaires. Et le gros problème avec les changements climatiques, vous voyez aussi, il y a les questions d'infertilité parce que ce sont des terres qui ont été longtemps. Quand je prends par exemple à il y a certains sites, ça fait longtemps de leurs grands-parents, ils ont hérité ça, c'est sur ça qu'ils sont en train de faire le maraîchage. Donc, du coup, avec l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques, le rendement est en train de baisser. Et voire même certains endroits, ce n'est plus exploitable. Mais maintenant, la question c'est de savoir si le maraîchage est considéré comme une culture, une alternative, une activité alternative pour l'atteinte donc à un certain nombre de, de, résoudre certain nombre de problèmes qui sont de la sécurité alimentaire, la création donc euh, d'emplois, la création de revenus. Donc maintenant, quelle stratégie il faut adopter Effectivement, l'État à travers donc euh, ces différentes directions, et ces différentes institutions, ou bien euh, les, différentes institutions de stress stratégiques que l'État avait mises en place, ils sont en train de faire des efforts. Maintenant, c'est de voir l'ensemble, parce que c'est un ensemble d'acteurs que ça concerne. Comment faire Avec quel acteur C'est pour cela qu'au niveau de la effectivement, c'était une question préoccupante. Et que depuis des années, nous sommes en train de travailler sur, sur cette problématique euh, le travail qu'on est en train de faire, on est en train de faire ça avec nos partenaires. Oumarou Sambo Boubacar, euh, quelle est la mission principale de votre institution NIA Non, la mission principale de la NIA, c'est d'abord euh, euh, accompagner ses producteurs, les rendre accompagner les producteurs, les producteurs maraîchers, donc l'appui conseil, tout ce qui est donc, qui va donc permettre de produire, de faire une production de qualité, en, en quantité, en qualité, et aussi les professionnaliser sur un certain nombre de filières et en faire en sorte que ces mêmes producteurs, quand ils produisent aussi, trouvent leur compte sur le point de commercialisation. Et donc pour pouvoir donc vraiment créer des revenus, donc augmenter leurs revenus pour qu'ils puissent donc vraiment euh, essayer donc de faire face donc aux différentes dépenses euh, de leur famille. De là aussi, satisfaire aussi la demande donc des consommateurs, parce qu'il y a une demande euh, importante sur le marché que le, le consommateur attend donc le producteur de la est-ce que les résultats sont visibles sur le terrain En fait, à, une certaine période, vous constatez qu'à Niamey, donc, vous voyez donc les légumes frais, les, producteurs euh, bon, ils sont obligés de brader ça parce qu'en ces temps, tout le monde produit la même chose et, met à la disposition des producteurs, de consommateurs la même chose. Donc, vous voyez donc vraiment, il y a un surplus qui est là. Donc, ce surplus-là fait en sorte que les prix baissent et les producteurs ne se retrouvent pas. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi ces dernières années de voir quelles sont les cultures qu'on peut échelonner et spécialiser dans certaines, zones aussi à faire la production d'une spéculation au moment où sa disponibilité rare sur le marché. C'est le cas de la pomme de terre. À Douchi, à Bonkoukou. Présentement, nous avons donc vraiment des magasins, des grands magasins de stockage, trois magasins de stockage. Donc, si je fais le cumul, leur, capacité de stockage est de 400 tonnes qu'on peut donc vraiment stocker pendant 2, 3 voire même 4 mois après donc couler ça sur le marché. Du coup, ça va donc jouer sur le prix. Le petit consommateur va se retrouver. Le producteur, déjà lui, donc à la campagne, on a acheté avec eux, donc à un prix aussi plus que donc le kilogramme, on a un prix donc rémunératif, donc vraiment qui satisfait le producteur, qui n'est pas le prix du marché. Si sur le marché le, le kilogramme de, pomme de terre est vendu à 300, nous, on regarde, on, achète ça avec 400 euh, ou bien à, à 375. Donc, vous voyez, donc, le producteur se retrouve et il a l'argent à temps. Et aussi, au niveau du consommateur, parce que c'est un produit de qualité, donc, on va, quand on va livrer de cette production aussi, vous voyez aussi le prix aussi sur le marché, les gens vont constater que même ici, il a l'afflux donc de, la pomme de terre euh, des pays voisins, donc le prix ne va pas augmenter durant euh, le mois de carême, quand on avait fait sortir notre pomme de terre, le prix est tourné donc aussi entre 350 400. Quand notre pomme de terre est finie, ça a grimpé jusqu'à présentement c'est à 600. Et ce n'est pas la pomme de terre de qualité. Omaru Samba Boubacar, quelles sont les difficultés qui empêchent aux maraîchers de produire toute l'année euh, les difficultés, l'avait évoqué, c'est les questions euh, les questions de l'eau dans certaines zones. Même si la zone, quand je prends par exemple à Niamey, à une certaine période là, sur certains sites, ne peut pas produire parce que la nappe phréatique n'est pas à un niveau où le producteur, petit producteur qui n'a pas les moyens, peut donc vraiment extraire cette, eau et faire l'irrigation. Est-ce que le problème lié à l'accès à la terre est aussi un handicap Oui, c'est ça aussi. Dans certaines zones telles que les zones urbaines, avec l'urbanisation, aussi, là, le facteur foncier aussi, la problématique foncière qui est là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, celui qui a prêté la terre à quelqu'un, qui est en train de l'exploiter, Maintenant, on va voir un jour quelqu'un qui va venir ériger un bâtiment. Et lui, tout du coup, on a mis fin à sa, carrière maraîchère. Donc vous voyez, euh, cette problématique, c'est une question que vraiment le politique et les acteurs doivent s'asseoir pour en débattre. Ousmane Dantata, tout celui qui passe euh, devant votre jardin de Goudel constatera que tout est vert et toute l'année. Euh, comment faites-vous Dites-nous pourquoi alors les maraîchers ne produisent pas euh, toute l'année Bon, je pense que M. Sambo a dit les éléments qui, sont tangibles, qui sont, qui sont vrais. le fait que effectivement la disponibilité de l'eau mais également euh, souvent la, disponibilité de la terre, euh, les revenus également qui sont tirés par l'activité que le, producteur fait à la période, par exemple, à un moment donné, il a de l'eau en surface qu'il lui suffit de puiser pour arroser. Quand euh, cette eau a disparu et qu'il doit chercher de l'eau plus loin, qu'il doit utiliser par exemple une pompe et cette pompe, il faut qu'il achète des intrants comme du carburant, eh bien son produit va devenir euh, soit très cher pour ne pas pouvoir concurrencer des produits qui viennent du Nigeria ou d'ailleurs, mais aussi lui-même ne dispose pas de moyens suffisants parce qu'en fait sa production, elle n'est pas, c'est juste une position souvent d'appoint en termes de revenus et en termes même de, de nutrition, en fait, pour s'alimenter lui-même, ce n'est pas quelque chose de réellement extraordinaire pour la plupart en tout cas de nos, producteurs, on va dire, dans l'ensemble, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les petits producteurs. Mais il y a euh, de plus en plus des personnes qui se professionnalisent aussi, hein, des entrepreneurs euh, d'un nouveau genre, qui viennent avec des moyens beaucoup plus conséquents, qui essayent tant bien que mal de se lancer dans ces productions. Mais tout ça est très récent, c'est-à-dire que ça date de vraiment, pour on va dire, un mouvement qui a commencé il y a trois ans. Mais en réalité, euh, il y en a des personnes, par exemple, qui produisent, euh, quand je prends du poivron ou de la tomate, qui essaient de produire même à une période où il fait excessivement chaud pour pouvoir le, vendre. On a vu, euh, ça existe, hein, des producteurs nigériens qui exportent même à une période où il n'y a pas ça sur le marché ici, pas suffisamment. Donc ce n'est pas que ce n'est pas du tout possible. Il faut un accompagnement qui soit conséquent. Il faut considérer également que ça ne sera pas sans un prix à payer sur la question environnementale. Parce que euh, les ressources en eau, il a évoqué la nappe phréatique qui peut baisser. Si on pompe encore davantage sur la nappe phréatique, c'est sur des réserves qu'on est en train de puiser. Et souvent, quand on produit, on va produire plus cher et de façon à ce qu'on ramène sur le marché des produits qui peut-être sont encore plus chers que ceux qui sont importés. Ça, c'est une réalité, il faut le regarder. Et il faut accepter quelquefois que c'est ça la réalité des choses. Vous savez, euh, on parle de maraîchage, mais étymologiquement, le mot même maraîchage vient de marais. Marais, c'est dans un des arrondissements dans la région parisienne. Euh, c'est un quartier aujourd'hui euh, de Paris qu'on appelle les marais à l'époque, les producteurs donc de, légumes, en fait, c'est des marécages où il y a des, paysans qui produisaient des légumes anciens. Maintenant, à cause de leur conquête coloniale, etc., ils ont pu euh, faire venir des produits euh, ailleurs et on a donné des formations, on a obligé ces paysans à adopter des semences qui sont par exemple venues des, des Amériques ou bien selon leur conquête euh, dans le monde pour pouvoir produire. Donc maraîchage vient de Marais, hein, en France. Donc, ce n'est pas pour dire que la production de légumes du Majal vient de la France, mais il faut savoir que culturellement, c'est ça qui nous a aussi été inculqué. D'accord La France aujourd'hui, euh, à tout moment de l'année, vous aviez de la banane, vous aviez des avocats, vous aviez des poivrons de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les provenances possibles. Mais tout ça n'est pas produit euh, nécessairement en France. Il faut qu'on accepte que nous ne pouvons pas, nous aussi, dire qu'on va tout produire il y a des choses que nous serions obligés de, considérer que nous sommes, euh, par exemple, en noignon, pour produire de l'oignon et de l'ail, nous produisons tellement que euh, nous n'arrivons pas à consommer tout ce que nous produisons, nous n'arrivons pas à exporter tout ce que nous produisons. La plupart de ce qui est produit en noignon et en ail est perdu. Il y a des déperditions de stocks qui sont plus importantes que la production elle-même. Voyez-vous Donc, il y a des choses sur lesquelles nous avons un savoir-faire. Nous avons une terre qui est adoptée. Nous avons une, euh, quantité d'eau que nous pouvons utiliser à un moment donné pour être meilleurs. Mais vouloir dire qu'il nous faut euh, des aubergines euh, d'une certaine qualité à une certaine période de l'année, ça voudra dire qu'il faut construire des infrastructures, qu'il faut généraliser ces infrastructures, ça veut dire qu'il faut prendre sur nos réserves d'eau, ça veut dire qu'il faut acheter tout ce matériel-là et, ces semences, nous les amenons de l'extérieur, qu'il faut encore dépenser beaucoup plus. Alors que, à côté de nous, il y a tout autour de Fada, Ngourma, etc., du Nigeria, où des efforts ont été faits avant nous, avec des barrages, avec euh, des investissements colossaux qui, sont, qui ont été faits par, par les autres pays qui font que, bon, on sera aussi obligé de considérer que si on veut de la tomate à une certaine période, eh bien, on va la prendre au Burkina ou au Ghana ou au Nigeria. Que quand eux veulent de l'oignon du Niger, eh bien, ils pourront le prendre aussi à une période de l'année. Donc, il faut qu'on change notre analyse de la situation. Patriotisme pour patriotisme, il ne faut pas euh, non plus considérer que nous allons, euh, nous allons tout avoir de façon systématique. C'est un défi qu'il faut le faire. Il ne faut pas croire, en tout cas, qu'on va être, euh, on va tout avoir de la même manière comme on voudrait. Les gens voudraient bien que ce soit ainsi, mais il faut qu'on soit réaliste. Et moi, je dis, il faut faire attention parce que euh, sur nos nappes phréatiques, c'est une de nos ressources essentielles. Ces nappes phréatiques, cette eau stockée doit garder sa qualité. Et attention, l'utilisation des pesticides chimiques et des engrais chimiques n'est pas sans conséquence. On voit bien ce qui est en train de se passer en France. Vous aviez une consommation excessive, par exemple, de pesticides chimiques et d'engrais chimiques qui provoque parfois même l'apparition de certaines algues qui, rien que par les gaz que ça produit, se tuent en quelques secondes des personnes. D'accord Si c'est ça, vers ça que nous voulions. Nous, voulons, nous voyons bien que ceux qui ont, depuis 300 euh, ans, 400 ans, fait comme nous, nous voulions nous engager à faire, on voit les conséquences qu'ils ont aujourd'hui. Si c'est ça que les gens veulent qu'on fasse pour les générations à venir, je dis, ça ne vaut pas le prix. Ousmane Dantata, parmi les légumes consommés euh, tous les jours, quels sont ceux dont il est possible de produire toute l'année, par exemple ici à Niamey Je vous dis, c'est-à-dire que euh, tout à l'heure, M. Sambo disait chaque saison, c'est-à-dire que chaque trois mois, d'accord, notre climat change. On a une saison chaque trois mois quasiment ici. Donc, avant le début d'une saison, il faut acquérir les semences qui vont permettre de rentrer dans la nouvelle saison avec des nouvelles plantes qui vont résister. Aujourd'hui, ça se fait avec les, euh, les laboratoires ailleurs, on travaille pour nous, pour gagner notre, pour, pour consommer notre argent. D'accord Pour qu'on dépense notre argent pour eux. Donc, des semences existent, des semences hybrides, euh, même des semences OGM existent pour permettre à, à des plantes qu'on va mettre chez nous, d'accord, de résister que ce soit euh, à, la, à la sécheresse ou bien à certaines attaques de certains ennemis de culture. Mais encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement et sur la santé des personnes. Aujourd'hui, quand vous voulez produire au mois de donc euh, vous voulez récolter quelque chose au mois de d'avril de, mai, mai d'accord il vous faut avoir fait votre pépinière au mois de mars par exemple vers fin mars pour espérer quelque chose. Mais vers fin mars, c'est une période où normalement tout devient sec et vous, vous aviez une poche qui est humide avec tout est vert. Eh bien, tous les ennemis de culture vont venir sur votre espace. Et qu'est-ce que vous faites Vous allez mettre des pesticides. On voit bien sur le marché des produits, si on fait des analyses phytosanitaires, on verra qu'il y a des produits qui sont extrêmement chargés en pesticides où on ne respecte même plus la, la période de carence. Les gens veulent bien qu'on produise, il faut savoir qu'on on risque de produire pour tomber malade. Ousmane Dantata, aujourd'hui, c'est la tomate qui coûte cher sur nos marchés. Est-ce qu'on peut produire euh, de la tomate euh, sur toute l'année Encore une fois, on peut la produire. Mais la tomate, là, elle ne coûte pas excessivement cher D'accord On le dit excessivement cher par rapport à quoi Par rapport à ce qui est arrivé d'ailleurs. On le dit par rapport à la quantité qui est, à la surproduction que parfois on gère. Mais je vous jure, les paysans, quand ils vendent le, carton qui actuellement, par exemple, est vendu à 25 000, mais quand ils le bradaient à 3 000 francs il y a 4 mois, ces paysans-là ne gagnaient rien. Il faut bien qu'on se le dise. Nous sommes en train d'appauvrir nos populations avec euh, soi-disant, parce qu'on veut que les prix soient le moins euh, élevés possible, en fait, ils ne gagnent pas grand-chose. M. Sambo de, de a peut le témoigner, n'est pas que les paysans quand ils produisent, ils sont déjà euh, leur production n'est pas si importante que ça pour que quand ils vendent, qu'ils se retrouvent vraiment et puis réinvestissent. Ils font euh, de la production parfois un peu de survie ou d'occupation de leur temps. D'accord Donc, quand nous achetons le kilo de pommes de terre, nous particulièrement, en tout cas, moi, j'ai eu à produire euh, de la pomme de terre euh, que j'ai vendue même à 500 francs le kilo. Et je vous assure que au final, quand on se rend compte de ce qu'on a investi et ce qu'on a gagné, c'est très marginal, c'est très faible. Donc, il faut relativiser cette idée que quand on va tout produire, chaque fois, eh bien lui, le paysan, il va être là en train de, produire massivement et puis moins cher. Quand vous voyez ça, c'est parce qu'en amont, il y a eu souvent des subventions. Quand un partenaire vient donner des semences à un paysan, lui, il se sent parfois dans l'obligation de, produire pour espérer qu'il y aura une autre subvention qui va venir. Parce que parfois, quand il y a des aides alimentaires, on regardera quels sont les groupements organisés, etc. Donc eux, chacun veut montrer qu'il existe mais ce n'est pas parce qu'ils sont en train de gagner réellement dans cette activité. Il faut qu'il y ait des réformes assez, euh, assez intéressantes, assez importantes. Regardez les bassins dans lesquels telle et telle chose peuvent se produire, y compris massivement, mais vraiment en relation avec la gestion de la santé, la gestion des ressources, la gestion également de, l'environnement. Il faut regarder ces, choses-là pour qu'on soit en équilibre, qu'on ne soit pas dans la désespérance de vouloir que les produits soient sur le marché. S'ils sont sur le marché et qu'ils nous rendent malades, c'est pas bon. S'il qu'il faut qu'ils soient sur le marché et que finalement euh, nous dépensions plus d'argent sur l'extérieur, etc., c'est pas bon. Mais encore une fois, moi je fais aujourd'hui plus un plaidoyer sur nos cultures, sur nos, plantes, nos espèces végétales autochtones. Omaru Sanda Boubakara, comment l'agriculture peut-elle contribuer à lutter contre la pauvreté et favoriser des emplois Je pense bien qu'ici, au tout début, on a évoqué un certain nombre de points, parce qu'on a dit que le maraîchage, en tant qu'une activité alternative, j'ai dit que ça crée du revenu et aussi crée des emplois la production aussi est à la disposition du producteur, du consommateur qui aussi trouve satisfaction. Donc vous voyez, création de revenus pour le producteur, parce que le producteur, dans certaines zones, je peux dire, hein, il y a des gens, après la campagne hivernale, ils vont rester 7 à 8 mois sans rien faire. Maintenant, comme les gens ont compris, avec les changements climatiques, les, les cultures pluviales, la récolte est devenue aléatoire. Donc il faut trouver une stratégie. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas une région dans laquelle, ou bien une zone où il y a un point d'eau que les gens ne font pas du maraîchage. Cela veut dire que vraiment c'est une activité qui crée des revenus et qui contribue aussi au développement socio-économique donc du foyer et qui participe aussi même au développement du pays. Quand on prend un producteur aujourd'hui, le produit des petits producteurs, à la période où la campagne, il ne prend pas de crédit chez quelqu'un, il s'autosuffit. Parce qu'il produit, il vend avec l'argent qu'il obtient après la vente donc, de sa production. C'est avec ça qui vraiment est, satisfait donc les besoins de sa famille. Il y a ceux qui engagent aussi de la main-d'œuvre salariée. Des gens qui sont là, les bras valides. On les engage, et aussi, ils se, retrouvent mensuellement ou bien par euh, journalier. Donc, euh, vraiment un contrat journalier. Donc, eux aussi se retrouvent à la fin. Donc, vous voyez, encore aussi, les commerçants qui achètent, ils vont essayer donc aussi, aussi payer des taxes. Et les taxes rentrent aussi dans les caisses de l'État, des mairies. Donc vous voyez, de façon directe ou indirecte, donc vraiment cette activité participe à un poids sur l'économie du pays. Mais maintenant, euh, j'aimerais donc euh, évoquer un petit point que là où il a, parlé, donc euh, effectivement, il a raison. Mm-hmm. Si on veut brusquer la production, il faut faire très attention. Parce que la culture intensive avec les produits chimiques vont retourner contre nous pour des questions de santé et aussi la dégradation de l'environnement. Et même l'eau avec laquelle nous sommes en train de faire, qui est notre première source de vie, nous on va la contaminer. Donc c'est pour cela que j'ai dit au niveau de la FCMNIA, à partir de 2013, on a revu, on a restructuré, tant au niveau donc de l'organisationnel et au niveau aussi vraiment des activités maraîchères. Nous avons inséré les questions d'agroécologie les questions d'agroécologie, la production de compost, la production de herbes vives. Donc le compost, pour vraiment amener le producteur à changer de mentalité en termes d'utilisation des fertilisants. Parce que les produits chimiques des engrais contribuent à, rendre pauvre le sol. Et c'est à discuter, hein? mais aussi les questions des nappes qui sont là, mais qui sont aussi des résidus qui restent dans, dans le produit que nous, on va manger et que nous, on va recevoir aussi, nous, en même temps, en pensant que nous sommes en train de manger, de, je ne sais pas, de la, de la, tomate, en même temps, nous sommes en train aussi d'avoir aussi les déchets, les, quelques, quelques déchets qui sont donc dus à l'utilisation de produits chimiques. Et c'est ça, on est en train de travailler sur ça. Et de nos jours, je vais vous dire à Niamey, il y a des producteurs qui n'utilisent qu'uniquement le compost. Maintenant, ça aussi c'est un problème parce que là, on va orienter les gens vers quelle sera la solution alternative. Parce que Niamey sans sa Vous avez dit Niamey, comment faire pour brusquer la production C'est ça l'un des premiers problèmes auxquels je me suis fait face quand j'étais donc vraiment nommé en tant que coordinateur. J'ai fait donc un plan, un plan d'action, j'ai élaboré un plan stratégique de voir comment essayer d'échelonner les cultures potentielles. Parce qu'il y a des cultures potentielles qui sont demandées à Niamey en toute saison. On a parlé du poivron, on a parlé de la tomate, on a parlé de l'oignon, et euh, autres, la laitue. Donc, euh, sur quelques sites, je vais vous dire, hein, en aujourd'hui, ils produisent, et à Gamka, ils produisent la laitue en toute saison. Et les coopératives comme euh, et Kongu produisent la tomate, la variété Mongar. Toute l'année Toute l'année. Présentement, ils ont répliqué. Hier, le, un producteur était venu chez moi, il m'a dit qu'ils ont répliqué. Ils viennent tout juste de répliquer. vous qui êtes toujours avec euh, ces producteurs et autres maraîchers, quelles sont leurs difficultés Les difficultés premières d'abord. Il a parlé d'accessibilité des semences de qualité à temps. On a parlé des questions euh, d'entrants aussi, parce que le produit phyto. Des fois, même, hein, même le produit chimique là, les, pas les produits, le petit producteur ne peut pas acheter ça. C'est un franc pour lui. Certes, tu ne peux pas créer une entreprise pour dire que tu vas attendre quelqu'un pour qu'il te finance. Mais le pouvoir public doit être regardant. La politique, si on dit on a mis en place aussi des institutions stratégiques. Telle que l'initiative troisième. doit avoir aussi, au niveau de euh, là où le producteur peut avoir ses produits, facilité. Sur l'interface pour faciliter. Le peu, de, le peu de ressources que le producteur a, qu'il puisse avoir ses entrants à temps. On a parlé aussi de la, les questions de l'eau. Il n'y a pas d'une certaine période la, euh, pendant la saison sèche. on a parlé de questions. C'est là où il a un fossé. Parce que j'ai dit, ce n'est pas toutes les zones qu'on peut produire. Il y a, la, chaleur, il y a aussi le, manque d'eau. Le manque, là aussi, là aussi les, les ressources en eau sont insuffisantes. Donc vous voyez, pour avoir, il faut donc investir. Et quand on investit, il faut vendre, il faut vendre aussi cher mais à savoir si le consommateur est prêt aussi, lui aussi, sa poche peut donc vraiment euh, lui permettre d'avoir euh, accès à ça. Omarou Sandaboubakar, l'année dernière, avec la montée des eaux, beaucoup de jardiniers ont perdu leur superficie cultivable et la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, euh, NIA, les avait appuyés. Est-ce que vous le faites aussi à l'intérieur du pays Bien sûr, dans toutes les régions. Parce que j'ai oublié d'abord de vous dire que nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire. Dans chacune des régions, nous avons une section. Et dès qu'il y a ce genre de catastrophe, les responsables, donc, que ce soit le plan politique et technique, vont vers donc ces producteurs et ils font quelque sorte d'évaluation pour évaluer ce qui a perdu. C'est en fonction de ça que les gens font des requêtes ou des fois aussi au niveau donc de, la, section s'il y a des moyens, c'est reste que les semences, on achète pour leur permettre aussi donc, de produire tout juste au moment où l'eau va se retirer. Cette année, on a eu ça à Gamkale, à Harobanda. Mais après, ils ont, ils ont, démarré après, donc euh, ils n'ont pas attendu. On a fait des requêtes, les requêtes ne sont pas On n'a pas, on pas pu reçu de réponse. Mais pourtant, avec l'appui de la fédération, morale et aussi un peu financier, ils sont en train de produire. Ousmane Dantata, le matériel utilisé par les maraîchers et leurs méthodes sont-ils adéquats ou pas pour produire toute l'année non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on euh, a dit quand vous aviez l'eau en surface euh, juste à quelques mètres, vous utilisez un arrosoir quand vous aviez l'eau ensuite à 20 mètres dans le, dans, le sol ou parfois plus loin que ça. Il faut une motopompe. Il faut, euh, c'est même pas une motopompe parce qu'une motopompe, c'est euh, à l'extérieur qu'on la met. Il faut une pompe immergée. Une pompe immergée, elle ne fonctionne pas comme ça avec, euh, vous ne mettez pas du gasoil dedans. Il vous faut une source d'énergie qui est à l'extérieur, qui va être justement ou bien un groupe électrogène ou bien des panneaux solaires ou euh, un branchement à la Nigélec. Donc vous voyez bien que euh, au fur et à mesure qu'on progresse selon les saisons, euh, les moyens ne peuvent pas être les mêmes. Quelques-uns, par exemple, vous, avec la forte chaleur qu'on a, et surtout le problème que nous avons de, de toujours tout arracher. C'est-à-dire que quand on veut produire du mil, on, détruit tout et on met du mille, généralement. Bon, on travaille maintenant de plus en plus dans le sens de, sensibiliser les paysans sur l'agroécologie, mais euh, notre pratique culturelle, elle a toujours été celle-là. Hein? Quand quelqu'un veut mettre du mil, il commence d'abord, euh, avant la saison de pluie, de commencer à enlever, à tuer tout ce qu'il y a pour qu'il mette que son mil. Eh bien, souvent, nos espaces de culture, vous allez venir voir un espace où on fait du chou, où il n'y a que du chou sur 3 euh, hectares, tous les producteurs ne font que du chou ou de la laitue. D'accord Donc à un moment donné, euh, quand il fait trop chaud, même avec des semences hybrides, la chaleur est tellement excessive que le taux d'humidité dans l'air ne permet pas, euh, assèche en fait les plantes d'accord, et, l'ensoleillement qu'il y a. Donc, euh, euh, parfois, il faut, euh, il faut faire une couverture un peu aérienne. Donc, les gens font en ce moment des, petits hangars, des sortes de hangars, au lieu de planter. Oui, oui, vous avez des personnes qui font des hangars pour planter là-dessus en, saison, en saison chaude. D'accord Donc, ça demande des moyens que, normalement, ces paysans-là n'ont pas souvent les, les, petits producteurs n'ont pas. Donc nos moyens, nos, les moyens qui sont utilisés pour la période vraiment de, contre-saison, ce n'est pas euh, ces moyens qu'on va utiliser quand il va faire trop chaud. Et c'est la période où, en fait, les produits connaissent euh, une, hausse des prix qui est euh, extraordinaire. Ousmane Dantata, que préconisez-vous aux individus, aux groupes de personnes euh, pour sortir euh, de ce carcan qui nous oblige à importer euh, la simple tomate fraîche aux origines douteuses dont vous, l'avez évoqué Bon, par rapport en tout cas au milieu urbain. au milieu urbain, Bon, franchement, j'avais espéré au début que sur euh, l'initiative 3N, euh, entre autres choses à faire, c'était aussi de montrer à chacun comment il peut produire une partie, une partie, une infime partie de ce qu'il consomme dans l'année. Que les Nigériens se peuvent se nourrir aussi de cette façon. -là. L'accès à la terre qui est difficile. Non, mais vous savez, aujourd'hui, vous pouviez, quand prenez, euh, vous prenez un vieux seau d'eau qui est percé par le bas, vous pouviez en faire un petit jardin hors sol. D'accord Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui pour produire par exemple de la pomme de terre, même chez vous, en utilisant un, un seau plastique et vous mettez vos pommes de terre, vous pouviez produire des pommes de terre. D'accord Vous pouvez produire votre gingembre, vous pouvez produire votre persil, vous pouvez produire votre menthe, vous pouvez produire. Citronnelle et autres. Oui, voilà. Mais les gens, ils vont toujours vous dire que non, on n'a pas de terre. On a... Celui qui dit que pour produire sa, sa menthe ou bien sa tomate, qu'il lui faut d'abord un hectare, ensuite euh, un puits, etc., etc. Il ne veut pas faire, il veut juste dire que lui, il, euh, c'est la faute des autres. Mais tout le monde, à mon avis, on peut, vous savez, on peut utiliser, nous, nous l'avons fait, on a testé, que utiliser de l'eau, euh, de l'eau qui a déjà été utilisée, par exemple, que ce soit pour la lessive ou pour la vaisselle, on peut réutiliser l'eau, en condition bien entendu de, de, ne pas trop charger cette eau aussi en détergent. D'accord Parce qu'on en met, on met toujours tout de trop. D'accord Vous pouviez faire votre vaisselle sans mettre excessivement, par exemple, du détergent, de l'homo ou du savon. Les gens, ils le font parce que vous venez de laver, vous prenez un ustensile qui a été lavé. D'accord Vous aviez mangé votre riz. C'est vous qui avez mangé votre riz. Mais pourquoi vous voulez encore mettre du, du savon à l'excès pour en nettoyer ce que vous aviez vous-même mangé. Vous considérez que c'est vous qui avez amené trop de microbes dans la tasse Non. Donc, on a des habitudes qu'il faut qu'on laisse. Et cette eau-là, si vous, si vous la traitez d'une certaine façon, en fait, vous pouvez la réutiliser sur certaines plantes. Et donc, chez vous, vous pourriez aussi produire moi, chez moi, je ne produis, je n'achète pas des légumes comme le chapata, euh, comme euh, le donc chapata c'est l'amarante ou bien l'oseille, euh, l'oseille ou encore pour votre propre consommation. Voilà, pour ma propre consommation. Donc je peux, on peut, je, je me dis que c'est à l'échelle de quelque chose. Vous prenez un pneu, vous pouviez produire dans un pneu. Vous prenez des ustensiles, des vieux ustensiles, vous pouviez produire dedans. Donc, ce n'est pas que vous allez produire tout euh, jusqu'à vendre, mais vous pouviez, même si c'est 1% de ce que vous mangez, si tout le monde déjà arrive à produire 1% de ce qu'il mange, de ce qu'il achète, c'est déjà considérable. On réduit la charge. Et au fur et à mesure, on apprend et on avance. Aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, vous regardez les médias, vous allez voir que dans des pays, que ce soit en France ou aux États-Unis ou au Japon, ailleurs, euh, c'est sur les toits que les gens ont leur jardin qu'il y a aujourd'hui des, stratégies qui consistent à dire aux, personnes, écoutez, coupez une bouteille d'eau en deux et vous aviez deux supports pour produire des choses. Donc vous voyez, on, a, il y a, on, peut, on peut tout à fait nous-mêmes être acteurs de notre propre, on va dire, production des, produits que nous consommons. Rapidement, Oumarou Sanda Boubacar, quels sont vos conseils, appels ou recommandations pour que les maraîchers et autres producteurs nigériens puissent produire euh, des légumes et autres crudités en quantité et en qualité sur toute l'année Rapidement. C'est ça, effectivement. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit donc euh, depuis 2014, on a changé donc euh, notre façon de faire. Donc nous sommes en train de vouloir spécialiser les zones en fonction de la disponibilité. Bon, la disponibilité des ressources pour la production à une période donnée. Par exemple, vous avez pris de la tomate. On a déjà deux coopératives à Niamey qui, sur lesquelles nous sommes en train de miser pour voir si on peut donc vraiment contribuer donc vraiment à alimenter la ville de Niamey en tomates pendant la saison pluvieuse. Il a aussi une coopérative donc vers Oualam qu'on appelle Gessé, qui font de la tomate pluviale aussi. Vous voyez donc, c'est des choses qui sont en train donc vraiment de prendre de l'ampleur. Donc, euh, c'est que ça va, c'est des stratégies qu'on est en train de mettre, la est en train de mettre en place. On a parlé donc de la pomme de terre. Nous sommes en train de voir si Agadez peut produire toute l'année. Et Loignon, il a Tawa et Agadez qui en font deux ou trois saisons. Tawa fait donc trois saisons, Agadez fait deux saisons. Vous voyez, pour les autres cultures. Euh, la laitue aussi, ça a commencé avec euh, certaines coopératives de Niamey. Pour les autres cultures, on est en train de voir même à Niamey l'oignon. Parce que nous sommes en train de voir avec des partenaires si cette année, on peut donc voir possible à Niamey, nous, on peut produire donc une quantité excessive de l'oignon pour que la, disponibilité soit garantie. Donc vraiment, en toute période, donc euh, au moins les 9 mois, la disponibilité de l'oignon, la tomate et d'autres cultures aussi au niveau donc de la région de Niamey. Les contraintes de la production sont essentiellement liées à l'accès à la terre, au manque du moyens, au problème de la qualification des maraîchers, mais aussi et surtout le problème d'accès à l'eau et des contraintes physiques telles que les fortes températures au milieu de la saison sèche. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Où nous avons eu le plaisir de recevoir Oumarou Samba Boubakar, coordonnateur de la section régionale de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA de Niamey. Ousmane Dantata, président d'Afrique Fondation Jeune. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.